Le ministre de l'enseignement supérieur Yaouza Salisu a fixé par arrêté en date du 8 juin 2020 la date du début des épreuves du baccalauréat session 2020 le 17 août. Ce sont quelques 178 jurys qui accueilleront un peu plus de 114 000 candidats à ce parchemin sur toute l'étendue du territoire. Niamey, à elle seule, abritera 56 jurys et les 122 autres seront repartis dans les autres régions du pays ko a ce jami'a da manya-manyan école yaya ne suke shirya shi surtout en cette période de la pandémie du Covid-19 et quels sont les pièges à éviter maintenant et même dans la salle d'examen shi yasa muka dora fadar tamu a lycée abashi shaibu ex lycée municipal Tarada, da su ɗaliban yan très engagé, très zangajen dizi son ok eh? to <laughs> da su da mu shukan nasu ko in da provisor da ke nan tare da mu musique eh, rubrique et chronique vont agrémenter cette fada spéciale bac au lycée municipal wannan fadar muna tare da Zabairu Dangali, il est le proviseur du lycée Abashi Shaibou. Bonjour monsieur le proviseur. Bonjour ah, Hajiya mai Kano. Saba, ya ana ah, muna nan wurin muna ta saboda kun gani lalle namu tare da su muke kwarai. Kuma eh, mun ji daɗi bisa wanga aiki da suke yi. Ah, <laughs> nous sommes avec euh, Munira Miss T.A. Ça va? Ça va. Tu vas bien? La launin je Yani, ana shishirya ma bakin. Inch'Allah. C'est bon, voir ça. Nous sommes avec euh, Shina Abdallah. Abdallah, oui. ça va Tu vas bien Alhamdulillah. es OK, hein, toi aussi ah, On compte sur toi. Bientôt, les portes des universités et des grandes écoles s'ouvriront pour les chanceux bacheliers nigériens. C'est un aka Écoutons comment certains candidats préparent le bac au micro de Big S. Bac on le prépare, bon, on le prépare, je fais des cours privés, il y a des exercices, on passe des fois toute la journée, même à l'école, en train de préparer notre bac, on, révise français, anglais, philo, bon, à peu près toutes les matières. On cède, il y a des professeurs aussi, on vient chez eux quand on a des problèmes. on est à fond sur ça. on est en train de réviser notre bac. nous préparons le bac à notre manière et tous les soirs, on vient eh, pour des cours d'appui à l'école. Et souvent aussi, la nuit, on se force à réviser. C'est à peu près le tout. Et bon, le bac, on reparle, on <laughs> le, prend carrément et on fait <laughs> des exercices avec des amis. Il y a aussi des cours privés qu'on fait avec des professeurs. Et parfois, on vient la nuit pour jusqu'à jusqu'à même demain parce qu'il y a des amis qui sont là. Ils n'ont pas cette mentalité, ils n'ont pas cette mentalité de, de rester à la maison sans rien faire. Quoi. Et, les préparatifs du bac, et pour que je puisse réussir à mon bac, et d'ailleurs, je m'exerce beaucoup. Je fais de mon mieux, je garde le moral très haut parce que le bac, on ne peut pas aller au bac sans un bon moral. Il faut avoir le moral et la une maîtrise parfaite des cours. Donc pour ça, je fais, des je fais beaucoup d'exercices et quand je me bloque, je vois mes enseignants qui essaient un peu de me débloquer. Et avec les camarades, de temps en temps, on fait des travaux de groupe pour encore avoir, acquérir leur expérience afin de mieux préparer mon bac. Donc vous avez entendu les autres bacheliers. C'est le moral, c'est le stress qu'on gère. Dites-nous, au lycée municipal, on voit la Gareki. Miss Munira, toi, comment tu prépares ton bac hmm, ina réviser kullum bayan da lokacin irin wannan hutu il faut que kullum mutum ya ringa doka ko wani abu ne hakan ga kan mutum ya sa lokacin kwana in ka bi kwana ka yi harkokin nan ba su yi Comme ya ah. kuma que mutum ya ringa ma da zuwa wani wuri wannan exercice ouais to munira ta ga muna nata abdallah toi comment tu prépares ton bac to ni ina préparé kin bac ina avec euh, exercice d'avoir de révision hmm. da aussi a assister souvent à des, à des cours privés quoi ok Comme in ban in ban gane mu wani cours hakan ga ina je auprès des professeurs quoi eh, ouais, Comment je préparé mon bac tu gères le stress, tout ça, le, moral il est haut, ça va Oui, ça va. Uh-huh. <laughs> voilà, tu peux aller, oui. Tu me dis ton nom et puis ça va Oui, ça va très bien. Toi, le nom c'est Alassane. Amane Alassane. comment, tu, comment tu prépares ton bac Bon, de mon côté, bon, nous sommes aux révisions okay. avec des exercices et aussi avec des camarades à chaque fois. À l'école, on s'y met. Avec aussi la grande aide de nos professeurs qui mhm. consacrent leurs vacances et leurs travaux. D'autres ont plusieurs travaux, mais ils s'acharnent à vous laisser les travaux, à nous porter de l'aide jusqu'à aujourd'hui. Ils sont vraiment à vos côtés. Oui, ils sont très dévoués à nous aider. Ouais, justement, nous avons Surtout le proviseur. <laughs> Lui, c'est pas les lettres, c'est les chiffres. Ça va, les chiffres Je réponds au nom de Boubacar Kerasadek Moussa, en classe de terminale D1. Ok. Et ça va, toi Comment tu prépares le bac Ça va, Alhamdulillah. merci. Tu es noyé dans les chiffres Non. <laughs> concernant la préparation du bac, toujours, euh, nous sommes ici au lycée Abachéou. Nous dormons même ici, puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Puisque de temps en temps, si on reste à la maison, on ne peut rien faire que de dormir. C'est pour cela que nous avons pris l'engagement de dormir ici à l'école. En faire le télé là, c'est compliqué. Hein. nous, les littéraires là, on parle. Je dis, nous, terminal A là, on parle. Ah, <laughs> la mathématique ne parle pas. <laughs> ok, on compte sur toi. Hein. Oui. Maintenant, justement, nous avons un. Le plus grand encadreur, on va dire, du lycée municipal. Nous avons monsieur le proviseur avec nous. Proviseur Kogayamana. Mona ils sont vraiment chaud chaud chaud sur wallahi wallahi gaskiya ne eh da muku gaskiya babu ranar da ni in na zo na tara cikin kalas muke kiran su muka ce to kuhin da mu da ku mu eh, malamanku da ku ɗalibanmu yanzu nauyi ya koma bisa mu da gwamnati da iyayenku kallo kawai ido za su samu saboda don haka nan mu tashi tsaye tsayin daka mu hiddo mu mu haƙƙi saboda so muke yi yau mu ga lise abashi shebu lise municipal an ce mata kama wani manyan lakwalkin nan inda suke samfursa to mu ma mun shiga wannan hagen tun bara tunda tun bara gaskiya alhamdulillahi ƙasa gaba ɗai an yi bisa eh, wa'anda suka samu kishi wajen 28 mu wajen 38.72 gare mu kenan wannan abu shi ne muka ce ba za mu bari ba ba za mu bari ba ya wuce mu bana ma muna da kandida wa'anda mun san insha Allah suna nan wurin dakin eh, tsayi za su aiki don haka duk sun ɗauki alkawali mu ma mun ɗauki alkawali sai mun holanta ma uwaye rai bisa wanga aiki da zamu yau kalas wajen biyar a akwai cikin kalaskin nan biyar duka ɗaliban nan kwana suke nan kwana suke kuma sahe da mariti ah, ya même ah, eh, ceux qui ont déménagé merci on da déménagé les chiffres non les chiffres tu as déménagé eh le bac là tu vas le terrasser cette année il <laughs> y a qui encore qui a déménagé à moitié <laughs> ma belle tu vas parler tu es enterré aussi dis-moi ton nom Halima toi aussi tu as déménagé non, non, je suis pas déménagée, Mais je passe la journée souvent ici. Ok. Et là, là c'est bon, hein, tu es en forme. Oui, oui. comme vous l'avez constatez. Cette année, elle a été un peu particulière. Hein. Il y avait Madame Covid qui a cloué tout le monde à la maison. Comment ça a impacté votre préparation du bac, les études Comment, comment tu as fait pour gérer le temps là m'a dis-moi. Vraiment, le Covid-19, il a beaucoup il a impacté. Parce que avant le Covid-19, on faisait des travaux de groupe à la maison. Des fois de 21h à 23h. Mais dès qu'on a mis le confinement, mhm. on n'arrive plus à faire les travaux ensemble. Et être à la maison seul, c'est pas possible. On ne peut pas faire le travail tout hein. seul, des fois. C'est pas facile. Et puis. Vraiment, ça rend fainéant parce que ça m'a rendu fainéante. Ben là, on va mettre le paquet parce qu'on est ensemble maintenant, non Toi, comment t'as fait Dis-moi. Bon, moi, pour moi, au début, bon, le confinement et tout, au début, bon, je m'étais laissé aller avec le repos. Donc, avec une semaine, deux semaines après. T'es fatigué même du repos, quoi. En fait, avec la conscience qui m'interpellait. Ah, mais mon frère, tu as jamais examen à Et tu dors. Donc, il faut se hein. relever. Il faut se donner. mais c'est pas facile parce qu'avec le repos, l'homme même n'aime pas travailler en fait. <laughs> Avec le repos, donc il va s'adonner à la facilité, mais avec l'ambition et les conseils donnés par nos, par nos supérieurs, nous sommes arrivés à surmonter ces épreuves. Est-ce que les parents vous ont laissé juste dormir Non, non c'était compliqué. Non, hein? non c'était compliqué parce que à chaque fois à 6 heures tu es réveillé. ou oh, tu bosses pas toi, tu révises pas. Uh ça. <laughs> Là, on les reconnaît. lycée ex lycée municipal suna nan suna gaya mana akanda suke nan suna shirye-shiryen bakin nasu amma kuma ci gaba da hira tamu yanzu mu je kuma mu shi kuma dondi mine ne zai zo da shi cikin rubrikin hallo nigérienne nigérien mes chers compatriotes une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux le covid-19 l'artiste s'exprime hatara le covid-19 à de Covid. Engagement des artistes et des hommes de culture dans la lutte contre la Covid-19, c'est notre rubrique sur tous à la FADA. Et nous parlons des actions des hommes, des femmes de la culture ici au Niger. On parle de leur contribution euh, pour combattre la pandémie liée au coronavirus. Après avoir accueilli plusieurs stars du monde artistique sur notre émission, nous avons l'honneur aujourd'hui d'être avec une superstar. Eh oui, une star, mais aussi un faiseur de stars. Il est artiste, comédien, danseur, metteur en scène, dramaturge, directeur artistique, journaliste, présentateur et animateur. Je n'ai rien oublié, j'espère que je pense, non, c'est même trop pour moi. <laughs> Est-ce qu'une seule tête peut porter tout ça <laughs> Nous recevons donc euh, une sommité de la culture nigérienne sur nos antennes. Président de la Fédération nationale des associations artistiques et culturelles, FNAC, FNAAC. Il s'agit de Rachid Rahman, alias Balthazar. Nous avons donc sur l'émission Tous Salafada, Ladies and Gentlemen, connectés un peu partout au Niger, le Balthazar. Bonjour Président, comment vous allez Ça va Dondi, et toi Ouais, je vais bien. Et le monde artistique se porte à merveille Le monde artistique euh, se porte... Euh, comme il doit se porter pour sortir d'une période de confinement. Waouh On va justement parler de cette période donc euh, euh, de déconfinement. Mm. Avec l'avènement, on sait déjà de la Covid-19, beaucoup d'artistes se sont mobilisés pour combattre la pandémie. En tant que président de la structure fêtière des artistes, comment analysez-vous l'apport des artistes dans cette lutte puisque le virus continue toujours à circuler L'apport des artistes euh, dans ce fléau est inestimable est difficile à quantifier mhm. parce que généralement quand d'aucuns parlent de l'apport des différents secteurs dans la lutte ou dans la sensibilisation sur le fléau, mhm. on met les hommes de santé en première ligne. Mais moi je crois que euh, avant que les hommes de santé ne prennent eh, eh, la chose en première ligne, les artistes étaient déjà à l'avant-garde, les artistes étaient déjà au premier plan du mouvement. Et il n'est un secret pour personne que euh, les uns et les autres l'ont vu. Et si les artistes n'avaient pas apporté quelque chose au plan mondial, je hein, je veux dire pas au plan nigérien seulement, mhm. à quoi aurait ressemblé cette période de confinement où les gens ne pouvaient pas aller à leurs activités habituelles, mhm. ils ne pouvaient pas sortir et se retrouver dans des lieux de rencontre que sont les églises et les mosquées. Mhm. Ils ne pouvaient pas euh, euh, donner des spectacles, les endroits où les gens se relaxaient après euh, la fatigue et des semaines de stress. Mhm. Bref, les artistes, eux, avaient trouvé déjà la voie à suivre pour, n'est-ce pas, rechauffer le cœur de ces gens-là qui sont confinés. Tout en leur disant aussi de faire très attention. Très hein, attention. En passant par euh, donc euh, la, sensibilisation, tout ce, que vous voulez. Et, ça, c'est inestimable. Si tu peux aller à la boutique acheter euh, des produits avec de l'argent, mhm. mais le déstressement, si je peux l'appeler comme ça, le, euh, euh, l'ambiancement, si je peux l'appeler comme ça, tu mhm. peux l'avoir où si ce n'est par l'entremise des. Nulle part ailleurs. Alors on voudrait avoir, sur le faux, tonton Rachid, votre mot par rapport donc à la situation laissée euh, par la Covid-19 à l'heure actuelle. Prévention et vigilance, toujours, où on passe à autre chose. On oublie tout, on passe à autre chose Non, on ne peut pas oublier, Dondi. Quand on dit qu'un fléau est mondial, mhm. et c'est ça, dans la tradition africaine, on dit que quand la case de ton voisin brûle, approche l'eau mhm. pour te prémunir. Ici, il ne s'agit pas de, de, la case du voisin seulement, il s'agit d'un fléau planétaire. Nous ne pouvons pas nous soustraire au mouvement mondial. Qu'est-ce à dire C'est-à-dire, on le chante, on le décrit, on aura de cesse à le faire Mieux vaut prévenir que guérir. Moustapha Yuba pour la réalisation, Senissaka pour le son. Nous vous demandons de rester en compagnie du programme du studio Kalangre. Dans un instant, l'émission Tout ça la Fada, la suite. Machine and Balthazar, Talkit. Hey muna hira tare da lycée à ex-lycée municipal. Aujourd'hui, à la FADA, il est question de comment ils préparent le bac et quels sont les pièges à éviter à ce niveau des préparatifs, quelles sont leurs difficultés. C'est pour ça qu'on est là. Mais bon, je suis un peu rassurée parce qu'ils étaient vraiment, ils disent qu'ils sont OK quoi. Et quand on dit OK là, c'est bon, c'est OK. <laughs> Nous accueillons Madame. Madame Ibrahim Zatou. Madame Ibrahim Zatou, elle est <laughs> professeure de français. On va continuer le débat avec vous. Donc, nous sommes avec Jibo Narwa Mouniratou elle est en terminale A. Hamani Alassane en terminale A également. Ishina Abdallah, il est aussi, il est aussi en terminale A. Nous allons poursuivre euh, notre émission ici même au lycée municipal. Kado comment tu comment l'amba de kuki iya yuko muna tamboyonka abu sakanta. Tamanan sipli shida, tamanan toko samsun de hudu 80 06 88 à 54. À ce niveau, minene ki tadam ko hankali. Qu'est-ce qui vous pose vraiment problème? Je commence par Abdallah. C'est quoi? Qu'est-ce qui coince là? Là, là, maintenant. À ce, à ce niveau, qu'est-ce oui. qui coince? L'autre, l'autre, l'autre angoisse, c'est, c'est de nous amener ce que vraiment on n'a pas pu voir en classe. Ouais, ce que vous n'avez pas vu. Oui, aussi. C'est stressant. Il y a aussi l'angoisse, quoi. On va, tu vas avoir ou bien. Tu vas, tu vas, tu l'auras ou bien tu l'auras pas. Non, t'inquiète, tu l'auras. Tu vas me dire ça. <laughs> Ma belle, Monila, tu me dis. Qu'est-ce qui coince à ce moment-là pour La même chose ke abdallah adi <laughs> mm, abin da ke anguwa mu yanzu shine radda za a hiddo sakamako mhm. in mutum yana samu ko bai samu mm. stress zai kashe mu <laughs> Na Allah stress ka kashe mu shiga sal examen radda za ka épreuve hein shi ma sai stress wallahi Ouais. Tu peux me dire, toi, c'est quoi qui te pose problème à ce moment-là oh, Oui, en ce temps précis. Bon. Dans quelle matière, on peut dire Dans quelle matière Oui, tu as un problème. Bon, on a aussi les mathématiques, bien sûr. Avec la série littéraire, donc on est beaucoup basé sur les lettres. donc, au niveau du maths, c'est ça nos problèmes en fait. On essaye, on essaye d'aller avec. C'est les maths, hein. Oui, oui. C'est les maths qui te posent problème. Oui. D'accord. Madame Hamsatou, vous êtes avec euh, vos élèves, euh, je dirais matin et soir à ce niveau la Qu'est-ce qui va leur poser problème cette année Personnellement, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de difficultés à affronter relativement aux épreuves hmm. dans la mesure où au niveau de toutes les disciplines, nous avons presque épuisé tous les programmes. Hmm. Vraiment nous souhaitons une bonne, très bonne chance à nos élèves. Et nous sommes vraiment à présent nous pensons qu'ils sont vraiment à mesure d'affronter les épreuves sans difficulté. Madame n'est pas inquiète pour vous. Je ne suis pas inquiète, vraiment. J'espère vraiment. Ça promet. Vraiment, ça, ça promet. Mmh. il ne faut pas la décevoir. <laughs> nous attendons, comme d'habitude, vraiment des résultats satisfaisants. Voilà. <laughs> Donc, il ne faut vraiment pas décevoir, madame. Donc, quand je l'ai elle pas inquiète. Ko yanzu kan ku tahi madame muna so musani sani magana ce kuke iya ba wa'annan ɗaliban har da wanda suke shuraren muhallu qu'est-ce que vous avez à leur conseiller qu'est-ce que vous allez leur dire quel piège faut éviter je sais pas on a peut-être des mauvaises habitudes en tant que candidat il ne faut pas faire. Si vous avez des conseils à donner à ces élèves. Qu'ils continuent vraiment à persévérer, mhm. qu'ils espèrent, qu'ils redoublent d'efforts. Et la réussite est au bout des, épreuves, des efforts qu'ils auront à fournir. Oui. Eh, monsieur le proviseur, monsieur le proviseur, municipal To, abin shi za a ce musu wanga digiri da za su buɗa lalle shi ne muke cewa kama da horon shi mhm. duk wanda ke son aljanna to ha sai an rasu sai an mutu kenan sai an sha wuya ake shan daɗi dole wanga abu ya kama aiki ne kamata mu kullum kuma abin da muke ce musu ne kenan duka kandida da suka ga wa'anda suka ci bak a sai da suka wannan suka sha wannan wahala kas ga sun rame kas sun jikita in Allah ya yarda wannan ramewa radda aka ba su digirikin su radda aka ba su bak za su jin sun mance da wannan wahala kap saboda daɗi ne za su ji kuma mako guda ya isa da za su maido jikinsu tunda hankalinsu ya kwara ne wa'anda suke ɗaukan magana da ake musu fi tarbiyyar su bana ta burge mu kwarai saboda mu dai mun ɗauke su iyanmu kuma duk wanda muka macawa kaji ya ce ya bari wanda kawai ya ce ya bari to ka san ko me yake sani saboda mu ba abin da za mu hana musu yadda muke iya mu tarbiyya mu haka nan muke tarbiyyar su kuma duka 'yan Nijar haka muke so yara saboda mun san yara ne manyan gobe ba mu kaɗai ba ne mu za su masu ma ƙasa unhwani kenan tun da za su ma ƙasa unhwani kuma mu ƙasa ke ɗaukar nauyin mu yanzu sai mu je mu ɗauko salarkin mu mu je mu ɗauko albashin mu kenan a kan nauyin ƙasa ƙasa ta ɗauke mu kenan tun da ta bamu amanan mu tarbiyyar yau an ga yaran kenan ya kamata mu san abin da ya kawo mu don haka ba mu musu wasa eh, saboda gaskiya ni abin da nake ce musu Allah ya musu albarka kuma Allah ya taimake su wanga abu da muke nema su san da yadda suke neman shi haka muke jin shi cikin mu yadda ba su kwana mu ma ba mu kwana saboda mi saboda kunga duka mu. da kunce musu a malam muna so a taimaka mu yanzu za ka gan mushen ya zo ya ce ai ga ya ga abin da ya kamata to kun ga ko abu ne wanda ya sa ya kamata mu zama tsinciya madarminki daya ya kamata sur ces bénédictions de votre proviseur on va se détendre un peu en musique parce que la fada c'est aussi la musique on va encore écouter Kiss Daniel parce qu'ils sont ok on va écouter Madou de Kiss Daniel baby. I want to Un musical, on en avait besoin. La fada était vraiment chargée d'émotion après la bénédiction des proviseurs. comment tu comment lamba da kuke iya muna tambayoyin quoi abu sakanta 86 88 06 88 à 54. Retour à la fada. Aujourd'hui, il est question des préparatifs du bac. Comment ils préparent le bac ici au lycée municipal Quels sont les pièges à éviter avec les conseils du proviseur, de Madame Hamsatou, c'est clair pour euh, tout le monde. à cette fois-là, nous sommes avec euh, le proviseur qui est ici avec nous, Zabairou Dangali, le, proviseur du lycée Abba Cheibou, Chena Abdallah, il est en terminale A. Nous sommes avec Jibona Roy Mounira, elle est en terminale A également. On va bientôt finir cette émission, mais avant de se dire bye bye, quelle est la contribution des parents Ils sont très importants, les parents. Hein? Comment ils contribuent à cikin shirya bakin wani naku munira in hara gare ki da faran wallahi kai uwaye suna kokarin hmm. su saboda su ga mun yi mun yi resir suna matsa mana mu yi karatu kuma suna duk abun da suke yi su gani mun samu da addu'a da addu'a kai suna hada da addu'a kullum la dernière question de cette émission, quel conseil vous allez donner Abdallah, tu vas parler fort cette fois-ci. Aux candidats qui sont à Tessawa, qui sont à Agadez, quel conseil tu vas donner à tes camarades candidats cette année Le conseil que j'ai à donner à mes camarades, c'est d'éviter la prévoyance et la précipitation. En fait, si, j'ai si, parlé de la prévoyance, c'est d'éviter de prédire les leçons. Oui. Ah, c'est le chapitre va venir. Non. <laughs> Il faut, il faut s'y mettre au travail. Ouais, et, la et la précipitation, c'est au niveau. C'est-à-dire, c'est en classe. C'est lorsque tu es dans la salle. Dans la salle d'examen, Il faut éviter la précipitation. C'est-à-dire, c'est précipiter. Tu vois le chapitre que tu as maîtrisé, tu tombes dessus seulement là. Et là, tu as raté un truc. Voilà, <laughs> merci. c'est ce que j'ai à dire à mes camarades. T'as, continue Abdallah. Yanzo, Yanzo Gareka. Voilà. Abassou. Tu me dis ton nom? Euh, je m'appelle Abdoulaye Kojo. Abdoulaye, qu'est-ce que tu vas conseiller à tes camarades candidats, les autres qui nous écoutent sur la FADA Bon, ce que j'ai à leur dire, vraiment, pour une bonne réussite, il faut du travail. Donc pour cela, il faut aussi de la détermination. Euh, le travail, certes, c'est difficile, mais... Là, c'est la dernière ligne de mire. Hein? c'est chap chap quoi. Franchement, là, il n'y a pas un mois, il y a que quelques jours. On peut <laughs> appeler ça quelques jours quoi. C'est ça. De mettre le paquet. Euh, il faut mettre le paquet justement pour pouvoir admettre. Donc, euh, l'appel que j'ai à lancer, déjà il est temps. Donc, tant s'il est temps aussi, le temps est contre nous. Vraiment, donc, euh, il faut se donner à fond parce que bientôt, c'est la fin des examens donc. et bientôt c'est la fête hein. C'est la musique, c'est la détente, mais avant ça, il faut mettre le paquet. Ma belle, tu vas dire Ça va Tu me dis ton nom Ok. Tu me dis, qu'est-ce que tu as ton mot pour euh, tes camarades candidats Je sais que j'ai à dire. On détermine qui on est par ce qu'on fait. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc il faut faire ce qu'on est. Je les souhaite seulement bonne chance à tous. Et il faut beaucoup de courage aussi. Voilà. On en a vraiment besoin. Avant de se dire bye bye, on va accueillir euh, Mr. Olivier et sa chronique. Mr. Oli, Mr. Oli. Bonsoir Abby, comment vas-tu Ça va bien. Super, quant à moi, je me porte très bien. Ah ouais. On est OK Oli. Ah tranquille. C'est bon OK aussi Ouais, Super. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler des sondages numériques. Pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi nous parlons, il s'agit de ces questionnaires qu'on reçoit de la part d'un ami ou juste un proche qui veut notre avis sur peut-être un sujet, un fait ou bien un projet eh bien, il y a des choses qu'il faut éviter si on veut bien réussir son sondage. Il est remarquable qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, généralement les entrepreneurs, qui veulent lancer un nouveau produit ou les étudiants en fin de cycle, font des sondages avec une certaine ambiguïté. Et finalement, peu obtiennent de réponses ou forcent leur entourage de manière indirecte, car ne veulent pas réellement répondre, mais le font juste pour faire plaisir aux sondeurs. À ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez aussi organiser vos sondages pour juste avoir des avis de vos proches sur un sujet. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet et mettre euh, concevoirmonsondage.com ou bien concevoir tout simplement mon sondage pour plus de détails. Mais là, je vous formule certaines recommandations si vous pouvez, peler les stylo et noter. Numéro 1, dans le cadre d'un sondage, il ne faut pas confondre le fait de faire un sondage et recueillir des informations personnelles. Évitez de demander des informations personnelles, par exemple l'âge de la personne. Les gens participent à votre sondage pour vous faire part de leurs préférences. La technique de l'entonnoir est toujours la meilleure, c'est-à-dire lors d'un sondage, commencez toujours par les questions d'ordre général pour aller aux questions beaucoup plus précises. Ensuite, soyez logique et cohérent quand vous demandez des questions à vos proches. Quatrième point, aux pensez évidemment au timing. Il est clair qu'avec beaucoup de questions, votre sondage paraîtra ennuyant avec une audience beaucoup plus faible. Du coup, posez des questions directes. Surtout, évitez l'ambiguïté. N'utilisez pas des termes trop techniques, n'amenez pas les gens à réfléchir ou à chercher des définitions en utilisant des mots inconnus. Si possible, lors d'un sondage, faites-le sans utiliser un champ vous pouvez également obtenir des réponses plus rapidement en utilisant une liste de choix. Par exemple, n'utilisez pas un son pour demander à quelqu'un ou bien à une personne son âge. Utilisez plutôt des tranches d'âge comme celle-ci Demandez aux gens, est-ce que vous avez entre 18 et 25, vous avez entre 26 et 40 ou bien vous avez plus de 50 ans, etc. Dernière des choses, utilisez des phrases claires et simples qui présentent clairement l'objectif de votre sondage la base. Testez vos questions avant de partager. Cela vous, vous aidera à évaluer le temps de réponse pour encourager les gens à répondre. Merci d'être patient pour écouter tous mes blablabla. Je vous dirai au revoir. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Merci Olivier. On a en face de nous de futurs étudiants. Ça va vous aider, hein, C'est bon, non Ok. Les sondages, c'est important aussi. la fin de tout ça, la fada. Nous étions avec euh, les candidats du lycée municipal, la TA, la TD. On n'avait pas la TC, non TC, elle est là aussi. Ils sont tous là. Bon, applaudissez pour vous alors. C'était bien. Ils sont OK, ils sont super engagés. Mais maintenant, comme le, le disent ici, ne pas se précipiter, se l'étendre et puis ne pas choisir les matières. Maintenant, vos encadreurs vous bénissent, les parents vous bénissent. On va aller sur cette bénédiction et on va terrasser le bac 2020. Je compte sur vous aussi. Hein. <laughs> Voilà. To a le nom nom Yazo ƙarshe sai kuma kun haɗu gobe da abokin aikina don shi kuma zai zo hira tare da wa'annan ɗaliban namu bisa kan orientation tun da yau ka samu bakin kuma ka rasa inda zaka tafi ka samu information ka rasa inda zaka tafi ka samu taimako baka ma san wata jami'a ce kamata ka tafi en fonction de ce que tu as eu au bac to da don ni za ku yi wannan hira tare da shi za a yi zancen orientation kada kuma ce lambar mu 80 sifili shida 88 54 bisa kanta za ku iya aiko mana tambayoyinku a huta lahiya sai mun ƙara haɗuwa.